forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission quotidienne Le Forum du Studio Kalangou, une émission qui vous éclaire sur tous les sujets et qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Les programmes du Studio Kalangou, pour rappel, sont diffusés en direct sur 34 radios partenaires à travers le Niger et ce, du lundi au vendredi de 17h à 19h et le week-ends de 17h15 à 18h15 minutes. Au menu du forum de ce soir, le paludisme, mode de transmission, prise en charge et prévention. Le paludisme, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qui est à la base quelles sont les personnes les plus vulnérables, comment se manifeste la maladie et quelles sont les conséquences qui peuvent en découler, comment et avec quel traitement se fait la prise en charge des malades, quels sont les différents moyens de prévention et quel est le degré d'efficacité de chacun, à quel moment de l'année sont engagées les opérations de démoustification et d'éradication des larves et avec quels moyens quels sont les obstacles de la prise en charge et la prévention du paludisme, comment y, et comment y remédier. Ce sont là, entre autres questions que nous nous posons ce soir et pour lesquelles nous espérons trouver des réponses avec euh, euh, notre invité. Ce soir, il s'agit de docteur euh, Ibrahim Maman Laminou, paludologue au Centre de recherche médicale et sanitaire Sermes. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Merci d'être venu à la présentation de cette émission à la Sankouzi Mohamed. Bonsoir à tous. Ce soir, nous parlons du paludisme, les modes de transmission, la prévention et la prise en charge des cas. Selon l'Organisation mondiale de la santé, au niveau mondial, le nombre de cas de paludisme est estimé à, 216 millions en 2016 contre 237 millions en 2010. La plupart des cas, 90%, ont été enregistrés dans la région Afrique de l'OMS, loin devant la région Asie du, du Sud-Est, 7%, et la région Méditerranée orientale, 2%. Au Niger, le ministère ministère de la Santé publique indexe le paludisme comme la principale cause de morbidité et de mortalité et représente près de 25% des motifs de consultation dans les services de santé, avec des pics pouvant atteindre 80% en période de haute transmission, comme la saison pluvieuse, et 20% en saison sèche, décembre-mai. Alors, nous allons sans tarder commencer euh, cette émission, docteur. Avez-vous d'autres chiffres, euh, peut-être euh, plus récents, pour ce qui est de la morbidité et de la mortalité liée au paludisme Tout d'abord, je commencerai par remercier les studios Kalangu de l'opportunité que vous nous offrez pour euh, parler d'un sujet d'une importance capitale, à savoir le paludisme. Donc, comme vous avez eu à le notifier très tôt, effectivement, le paludisme, c'est un problème de santé publique majeur et selon les données de l'Organisation mondiale de la santé, dans son rapport mondial sur le paludisme, effectivement, environ 216 millions de cas de paludisme sont notifiés par an. Avec malheureusement euh, un nombre de décès qui est relativement très élevé, de l'ordre de 429 000 décès par an. À l'échelle nationale, effectivement aussi, euh, à, ce niveau aussi, nous avons des chiffres qui sont relativement importants, autour de 3 millions de cas euh, qui sont notifiés par les structures sanitaires chaque année, hmm. avec malheureusement environ 2500 décès. Hmm. Ce problème du paludisme est complexe et il est d'autant plus grave que de plus en plus on observe au niveau du parasite euh, une certaine résistance. Mm. Autrement dit, qu'il y a des parasites qui ne sont pas sensibles aux médicaments. docteur, nous allons, nous allons en venir. Nous allons en venir. Et d'abord, on voudrait savoir euh, ce qui est à la base du palu, justement, ce qui est à la base du, du au Niger. De façon très succincte, il faut dire que le paludisme, c'est une maladie parasitaire qui est due à un, parasite du genre Plasmodium. Mm-hmm. Ce parasite est transmis à l'homme par la piqûre d'un moustique, un moustique du genre Anopheles. Donc, euh, en un mot, c'est une maladie parasitaire euh, liée à ce parasite du genre Plasmodium et transmis par des moustiques du genre Anopheles. Du genre Anopheles, ça veut dire que ce n'est pas euh, n'importe quel moustique qui donne le, le Ce n'est pas n'importe quel moustique qui donne du palu. Vous pouvez trouver d'autres moustiques tels que les Aedes, tels que les Culex, qui eux provoquent d'autres maladies. Par exemple, si je prends le culex, il peut provoquer la fièvre jaune, il peut provoquer la dengue. Mhm. Euh, si je prends le culex, il peut provoquer euh, d'autres parasitoses telles que les filaires lymphatiques. Mhm. Donc ce n'est pas n'importe quel moustique qui peut provoquer le paludisme. Mais sinon, euh, elles sont tous dangereuses. Oui, il faut dire que ne serait-ce que pour la nuisance, les moustiques sont dangereux. Eh, eh, docteur, pourquoi les, femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans sont les plus vulnérables au paludisme donc, comme vous savez, dans n'importe quelle pathologie, il y a euh, des groupes cibles. Autrement dit, des groupes qui sont plus, plus ou moins sensibles et plus ou moins réceptifs. Donc, effectivement, dans ce gros chiffre euh, du palu, vous constaterez que le nombre de décès, c'est surtout chez les enfants de moins de 5 ans. Par exemple, dans les 429 000 décès hmm. euh, que vous observez au niveau, qui sont donnés par l'Organisation mondiale, de la santé, environ les 400 000 sont les enfants de moins de 5 ans. L'autre groupe, c'est les femmes enceintes. Les femmes enceintes aussi, euh, le paludisme euh, provoque beaucoup de dommages à leur niveau. Entre autres, le paludisme est responsable d'une anémie récurrente chez la femme enceinte. Il est responsable du faible poids de naissance chez les enfants. Euh, donc, euh, il est aussi responsable deux fois des avortements spontanés. Hmm. Donc, la femme enceinte et les enfants de moins de 5 ans sont les deux principaux groupes cibles du paludisme. Euh, pouvons-nous savoir quels sont les signes clés, les signes cliniques clés qui permettent de déduire qu'il s'agit là d'un cas de paludisme je fais de la recherche médicale. Euh, et certainement, il y a beaucoup qui sont mieux placés que moi mm-hmm. pour euh, parler de la symptomatologie, mm-hmm. mais je vais essayer très rapidement mm-hmm. euh, d'évoquer, quand bien même ce n'est pas mon expertise. La chose la plus importante, c'est qu'il faut reconnaître que le paludisme, c'est une pathologie de charge. Autrement dit, lorsque le moustique vous inocule le parasite sous forme de sporozoïde, mm. ce parasite va se développer au niveau de votre organisme. Vous pouvez rester un long moment sans pour autant manifester la maladie. Donc on dit que vous êtes un porteur asymptomatique mm-hmm. ou un porteur sain. Mm-hmm. Donc à partir d'un certain moment, ce parasite va se développer et quand il atteint un certain nombre de parasites par microlitre de sang, qu'on appelle le seuil pyrogénique, mm-hmm. donc la maladie va se déclencher. Les signes cliniques vont apparaître. Et le plus souvent, les premiers signes d'appel, c'est surtout la fièvre, euh, deux fois les enfants, particulièrement lors de la primo-infection, ils ont une sensation de froid. Mhm. Et après cela, va se succéder une phase où ils vont transpirer à grosses gouttes. Mhm. À cela est associé d'autres symptômes tels que des maux de tête, tels que des vomissements. Et là, nous sommes en phase ou en face d'un paludisme non compliqué. Mhm. Donc ce paludisme non compliqué qu'on appelle aussi des fois paludisme simple, même si c'est un mot trompeur. Justement, j'allais vous demander, docteur, de, si euh, de, nous, on a entendu souvent parler de, paludisme simple, de paludisme compliqué ou grave. Effectivement, on voudrait bien savoir la différence. Cette forme non compliquée peut évoluer vers une forme grave avec euh, un tableau clinique très divers. C'est ainsi que vous pouvez trouver un paludisme compliqué par une hyperparasitémie vous pouvez trouver un paludisme grave avec un symptôme clinique caractérisé par une anémie. Vous pouvez trouver un paludisme grave avec un symptôme clinique caractérisé par des signes nerveux, ce qu'on appelle le neuropaludisme. Vous pouvez trouver un paludisme grave caractérisé par une hypoglycémie. Bref, il y a environ euh, 15 symptômes principaux qui peuvent caractériser euh, le tableau clinique d'un paludisme grave mais les plus fréquents, c'est surtout l'anémie sévère et le neuropaludisme. Docteur, est-ce que vous pouvez nous dire de façon terre à terre ces, mots euh, scientifiques que vous avez, anémie, qu'est-ce que cela euh, signifie euh, clairement et hypoglycémie et puis neuro, avez appelé neuropaludisme. Donc le parasite du paludisme, il se développe dans le sang, plus précisément dans les cellules sanguines, hmm. dans l'hémoglobine. Hmm. Et au cours de son développement, il se développe au point de faire éclater le globule rouge. Hmm. Donc, ce qui fait que la personne va se. Euh, ce signe clinique va se traduire par une anémie. Autrement dit, vous verrez que la sclère de l'œil, elle est toute pâle, elle n'est pas rosée. Vous verrez que la pomme de l'enfant, elle n'est plus rosée, elle est toute pâle. Donc, ce qui veut dire que l'enfant euh, dans un terme très accessible, il n'a pas beaucoup de sang. Mhm. Or, vous savez que le rôle du sang, c'est un rôle fondamental parce qu'il permet le transport de l'oxygène. Mhm. Euh, le paludisme grave par hypoglycémie, la glycémie, c'est pratiquement la quantité de sucre qu'il y a dans le sang. Mhm. Ce parasite, pour son développement, il consomme aussi beaucoup de sucre. Donc, ce qui fait qu'il va essayer de pomper le sucre nécessaire au fonctionnement de l'organe, entre autres euh, le cerveau, mhm. il va l'utiliser à sa faveur, ce qui va faire que ça va se traduire par un manque de sucre dans le sang de l'organisme. Mhm. Et enfin, le neuropaludisme, c'est un paludisme qui se traduit par des signes nerveux, pouvant aller d'une simple prostation jusqu'à une crise convulsive. Mhm. Autrement dit, l'enfant euh, va être dans une crise. C'est ce qu'on appelle, si vous me permettez, en germain, euh, en Hausa, les gens l'appellent euh, mhm. Donc l'enfant, il peut tomber dans le coma et avant de fois d'aller dans le coma, il peut faire une crise convulsivante. Grossièrement, il y a deux principaux mécanismes qui expliquent cela. Mhm. Un, le parasite qui infecte les globules rouges va aller au niveau du système nerveux central de l'organisme mhm. et il va empêcher la circulation du sang. Du Et, du fait que le cerveau n'est pas vascularisé, donc cela va se traduire par le signes et tout cela peut, ces, signes, euh, ces, palus compliqués que vous avez cités un certain nombre, peut arriver aussi bien euh, chez l'enfant que chez les adultes. Oui, on peut trouver du paludisme grave aussi bien chez les enfants de moins de 5 ans que chez les adultes. Ah. Quand bien même les enfants sont le plus souvent euh, susceptibles au paludisme grave qu'aux adultes qui, eux, du fait qu'ils ont été exposés à la piqûre, leur organisme a développé une certaine prémunition, ce qui fait qu'en termes de fréquence, on observe moins mhm. euh, de fréquence du paludisme grave chez l'adulte, mais quand même, il faut dire qu'on peut l'observer aussi. Nous abordons maintenant euh, la deuxième partie de cette émission concernant la prise en charge et, la prévention. Euh, docteur, est-ce qu'on peut savoir comment et avec quel traitement euh, s'est fait le plus souvent la prise en charge des malades, enfants, femmes enceintes et adultes, atteints du, paludisme justement Il faut dire qu'il y a une politique nationale, hein. une politique nationale de prise en charge du paludisme. Et c'est cette politique nationale qui définit les principaux médicaments qui sont indiqués pour la prise en charge du paludisme simple ou pour la prise en charge du paludisme grave hmm. ou bien pour la prévention. Hmm. Il faut dire que la politique nationale du Niger de prise en charge du paludisme, elle recommande les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine pour la prise en charge du paludisme non compliqué. Hmm. Et comme il y a plusieurs combinaisons, les combinaisons qui sont retenues au Niger sont surtout, surtout l'artéméter Lumifantrine, avec la spécialité du quartem qui est la plus connue. Mmh, mmh. Et puis il y a l'artésinate amodiaquine qui est la deuxième combinaison qui est aussi recommandée. Il faut rajouter une dernière qui, quand bien même elle n'est pas très fréquente, vous la trouverez quand même euh, sur le marché. c'est la dihydroartémisinine Piperakine ou le euh, diocotexin, qui est la troisième combinaison mmh. que vous trouverez qui sont aussi utilisés pour la prise en charge du paludisme euh, non compliqué. C'est par voie orale ou par voie intraveineuse toutes, euh, ces, sous forme ces combinaisons sont des comprimés qui sont euh, pris par voie orale. Hmm. Voilà. Il y a aussi des médicaments qui sont recommandés pour la prise en charge du paludisme grave. Hmm. À ce niveau, au niveau de la politique, vous trouverez essentiellement trois, trois médicaments. Il y a euh, l'artéméter injectable, il y a l'artésinate injectable et puis il y a la quinine injectable qui sont les trois principaux médicaments qui sont utilisés pour la prise en charge du paludisme grave. Mmh. docteur, voilà, nous, nous, en venons maintenant. Euh, au début, vous avez voulu ébaucher un peu la résistance des, du parasite euh, du palu. On sait que certains parasites peuvent muter et résister au traitement habituel Qu'en est-il pour le cas du paludisme donc effectivement, euh, parmi les facteurs qui limitent la lutte contre le paludisme, il y a un, l'absence d'un vaccin. Pour l'instant, il n'y a pas de vaccin contre le paludisme. Qui permet de prévenir Voilà. Deux, le parasite, le plasmodium, a la capacité de développer une certaine résistance aux antipaludiques. Mhm. Et enfin, euh, le troisième facteur, c'est le vecteur qui est résistant aux insecticides. Pour le cas spécifique de la résistance euh, aux antipaludiques, il faudrait dire que le premier médicament qui a développé cette résistance, c'est la, chloroquine. Hmm. La chloroquine, elle a été découverte dans les années 1945 par l'allemand Andersack. Hmm. Et autour des années 1959, 1960 on a observé deux foyers de résistance à la chloroquine. En Asie du Sud-Est, plus précisément en Thaïlande, et mm. puis en Amérique latine, plus précisément en Colombie. Mm. Donc c'est à partir de ces deux foyers originaux que la chloroquine résistance s'est étendue dans le reste du monde. Et dans les années 1978, l'Afrique a été aussi contaminée par ces parasites résistants. Mm. Et dans les années 2000, la chloroquinorésistance résistance était très étendue jusqu'en Afrique de l'Ouest et malheureusement cela a augmenté la mortalité attribuable au paludisme qui fait que de cette résistance, cela a été multiplié par un facteur de 2, hmm. voire par un facteur de 5 dans certains contextes épidémiologiques. Hmm. Donc cette résistance a augmenté d'une certaine manière le nombre de décès liés au paludisme. Hmm. Et d'ailleurs, c'est qui a conduit à la mise au point des nouvelles combinaisons ou des nouveaux médicaments, à savoir les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine, mm. qui eux ont la particularité d'avoir au moins deux molécules en leur sein. Et ces molécules-là ont des mécanismes d'action différents, ce qui permet de, retarder euh, la, résistance, du parasite. Donc, pour parler de notre cas ici au Niger, mhm. effectivement, euh, nous faisons une évaluation de la sensibilité des parasites aux médicaments, entre autres les ACT. Mhm. Et la dernière étude qui a été publiée a été conduite à Maradi mhm. par Epicentre, en collaboration avec le CERMES et le Programme national de lutte contre le paludisme. Et qu'est-ce qui en ressort en, définitive, il faut dire que les trois combinaisons, à savoir euh, l'artéméter lumefantrine, l'artésinate amodiaquine et la dihydroartémisinine piperaquine, sont efficaces pour traiter le paludisme. On a une réponse clinique et parasitologique adéquate d'au moins 95%. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de résistance aux combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine au Niger. Au Niger une bonne nouvelle. Euh, le programme Pali, euh, bon, euh, on dit prévenir, docteur, souvent, on vaut mieux que guérir. Mm. Quelles sont alors les différentes stratégies, les différentes stratégies de, prévention qui sont mises en œuvre ici au Niger pour prévenir le paludisme Effectivement, mieux vaut prévenir que guérir. Et parmi les stratégies de prévention du paludisme, il y en a plusieurs types. Il y a des mesures individuelles, il y a des mesures collectives. Hmm. Parmi les mesures individuelles, je vais commencer d'abord de la moustiquaire imprégnée d'insecticides à longue durée d'action, qui est le premier outil de lutte qui est le plus accessible à tout le monde. Hmm. Euh, au niveau du programme, deux fois, il y a des distributions. Le programme PALI, vous voulez dire Le programme euh, national de lutte contre le paludisme. Mhm. Il y a des distributions euh, massives de, de, moustiquaires imprégnés d'insecticides. Mais en dehors de cela aussi, il faut dire sur le marché que vous pouvez trouver des moustiquaires qui sont à des prix acceptables, variant de à 2500. Donc ce moustiquaire, il a principalement deux actions. Il a une action mécanique du fait qu'il empêche au moustique euh, d'accéder à la personne pour le piquer. Mhm. Et il a aussi une deuxième action qui est une action chimique, du fait qu'il y a des insecticides qui sont dans la fibre qui ont permis de tisser ce moustiquaire. Lorsque le moustique se dépose sur la moustiquaire, et reçoit une décharge d'insecticides qui va le tuer. Donc ça, c'est la première stratégie, à savoir mhm. l'utilisation des moustiquaires. Mhm. Toujours au niveau individuel, il y a des stratégies au niveau individuel, particulièrement pour les deux cibles, à mm. savoir les enfants et la femme enceinte. Mm. Chez les enfants de moins de 5 ans, il y a une nouvelle stratégie qu'on appelle la chimie-prévention du paludisme saisonnier. Mm. C'est une stratégie qui a été mise au point par l'Organisation mondiale de la santé le 12 mars 2012. Euh, Donc, ce qui fait que c'est une stratégie très récente et les premières études pilotes ont montré que cette stratégie peut réduire de 70% le nombre de cas de malades. Elle peut réduire de 40 à 50% les décès attribuables au paludisme et elle peut même réduire euh, l'anémie chez les enfants. Hmm. Donc euh, au Niger, cette stratégie, elle a commencé d'abord sous forme pilote au niveau de certains partenaires tels que euh, MSF, Mm-hmm. Espagne, MSF Suisse, MSF France, mm-hmm. au niveau d'un certain nombre de, districts sanitaires tels que ceux de euh, Magaria, ceux de Madarumfa, ceux de Guidarumji, ceux de Madawa. Mm-hmm. Mais euh, en 2015, le programme a mis à une grande échelle cette stratégie pour prévenir les enfants. Elle consiste à administrer un traitement complet aux enfants de moins de 5 ans avec une combinaison qui comprend la sulfadoxine, pyrimétamine et l'amodiaquine. Hmm. Et ce traitement, ça se fait une fois par mois et il va se répéter pendant les quatre mois de la saison de forte transmission du paludisme. Hmm. Ce qui fait que pendant les la saison n'est plus la saison euh, de forte transmission. Hmm. Donc, ce qui fait que pendant les quatre mois, les enfants sont protégés, même si le moustique les pique, puisque dans le sang, il y a une certaine quantité de médicaments le parasite ne va pas, se, développer jusqu'à entraîner la maladie. Donc ils feront moins la maladie et quand bien même ils la feront, elle sera moins grave. Moins grave. Et ce qui va permettre aux enfants qui vont à l'école de pouvoir continuer leur scolarité. cette période-là, ça va de quel mois à quel mois euh, de juillet, de juin Le plus souvent, on fait juillet, août, septembre, octobre. Mmh. Voilà, ce sont les mois les plus euh, importants en termes de transmission. Mmh. Et l'autre groupe cible c'est la femme enceinte. Donc à ce niveau aussi, il y a une méthode de prévention individuelle, puisque je suis dans la stratégie individuelle. Et à ce niveau, c'est ce qu'on appelle le traitement préventif intermittent chez la femme enceinte. Mhm. Donc là aussi, c'est euh, un traitement qui se fait à base de sulfadoxine pyrimétamine, une fois que les premiers mouvements fœtaux sont observés chez la femme enceinte, et on souhaiterait qu'il y ait au moins trois traitements pendant euh, sa grossesse. Mhm. Euh, le plus souvent euh, au troisième ou quatrième, au sixième et au huitième mois. Mhm. Et si elle arrive à prendre ce traitement, donc elle va pouvoir maîtriser, si éventuellement elle a été piquée par des moustiques, maîtriser sa maladie, mhm. maîtriser le développement parasitaire. Parce que chez la femme enceinte, le parasite, il a la fâcheuse habitude d'aller au niveau du placenta pour l'infecter et par conséquent créer des troubles au niveau du développement du euh, fœtus. Hum. Maintenant, en dehors des méthodes de prévention individuelle, il y a les méthodes de prévention collective. Et quand on parle de méthodes de prévention collective, c'est par exemple la lutte antivectorielle. On peut faire ce qu'on appelle la pulvérisation intradomiciliaire d'insecticides, hum. Hum, ce qui fait qu'on va tuer les, parasites, les vecteurs adultes dans les maisons. Les moustiques. Voilà. On peut s'attaquer aussi aux larves donc là, on va chercher les gîtes larvaires mhm. et on va mettre euh, soit des insecticides, soit des euh, substances larvicides qui vont tuer les larves avant qu'elles ne deviennent des imagos et puis des adultes. En dehors de cela, il y a tout ce qui est les repellants qu'on peut utiliser si vous êtes dans une même chambre, donc ça va vous protéger vous tous. C'est la spirale. Mmh. Euh, donc voilà en gros l'essentiel des méthodes pour la euh, prévention collective. Oui. Et, docteur, pour, pour ce qui est de la prévention individuelle, vous avez évoqué la MILDA. Euh, donc, le moustiquaire imprégné à longue durée d'action. C'est ça. prévention du paludisme saisonnier et le traitement préventif intermittent. Je, voudrais savoir, docteur, est-ce que pour ce qui est de cas, pour qui est des moustiquaires, euh, les moustiquaires qui ne sont pas imprégnés, euh, sont, qu'en est-il Est-ce qu'il suffit d'avoir simplement un moustiquaire pour, euh, être à l'abri, pour, pour, penser être dame C'est vrai qu'il est préférable d'avoir une moustiquaire même si elle n'est pas imprégnée, mais si elle n'est pas imprégnée, elle a un rôle purement mécanique. Autrement dit, elle va constituer juste une barrière barrière. Mais si elle n'est pas assez large, si vous vous aventurez à venir vous coller euh, contre oh. la moustiquaire, vous pouvez recevoir des, piqûres de moustiques. Donc c'est pour cela que pour l'Organisation mondiale de la santé, il faut utiliser les MILDA, autrement dit les moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. Ils sont où, docteur Où est-ce qu'on peut en trouver ou, ou bien il faut attendre qu'il y ait des campagnes de distribution pour en avoir Il y a des campagnes de distribution qui se font et en dehors de cela, vous pouvez trouver sur le marché dans les pharmacies ces moustiquaires qui sont en vente. Hum. Et docteur, euh, toujours par rapport à, cela, euh, on a vu qu'il est toujours bien d'avoir un euh, moustiquaire donc, imprégné, hum. à des fois avoir au moins un moustiquaire mais on, voit souvent la fâcheuse habitude aussi euh, des gens qui euh, peuvent rester pendant longtemps avant d'aller se coucher. Et pendant ce temps, il y a des, des moustiques peuvent les, les piquer avant qu'ils n'aillent dormir dans l'air moustiquaire imprégné justement. Vous voulez parler de l'efficacité de la méthode Oui, elle est efficace, mais elle n'exclut pas la transmission. C'est d'autant plus que si euh, vous n'êtes pas parti au lit et qu'entre-temps vous avez été en contact avec un moustique qui vous a piqué, il peut bel et bien vous transmettre le palu parce qu'une seule piqûre peut être contaminante. Une seule. Voilà. Mais par contre, c'est surtout aux heures très tardives, 1h, 2h, 3h du matin, c'est en ce moment qu'il y a le pic d'agressivité du moustique. Donc c'est en ce moment, si vous êtes dans votre moustiquaire, vous serez véritablement protégé. Mais n'empêche, de 19h vous pouvez trouver des moustiques qui peuvent vous attaquer et vous transmettre le pollu. On n'est jamais à l'abri, docteur. Euh, vous savez, pour chaque stratégie, il y a un rapport coût-efficacité. Mhm. Euh, donc, euh, la moustiquaire, ce qui est sûr, elle protège, mais pas à 100%. Alors, à quel moment de l'année pour les cas de, de, de stratégie collective, euh, notamment les pulvérisations, euh, à quel moment de l'année sont engagées ces, opérations de démonstification et d'éradication des larves Donc, vous savez que chaque stratégie elle est utilisée dans des circonstances bien spécifiques. Dans le cas de la pulvérisation intradomiciliaire d'insecticides, en principe, c'est lorsqu'il y a une épidémie de palu qu'on l'utilise. Parce que c'est l'une des meilleures stratégies pour s'attaquer aux moustiques adultes et arrêter et interrompre la transmission. Cette stratégie, elle va s'attaquer surtout aux moustiques adultes qui ont euh, déjà au niveau de leur tube digestif le parasite et qui se reposent pour digérer le sang qu'ils ont pris au niveau euh, de leur hôte. Hmm. Donc c'est une stratégie, le plus souvent elle se fait euh, pendant la saison de pluie parce que le plus souvent les épidémies s'observent aussi pendant euh, je ne dirais même pas épidémie, je dirais ah, plutôt des flambées, des hein, flambées, autrement dit, observer ah. une augmentation significative ah. du nombre de cas. Donc c'est surtout pendant les saisons de pluie. Est-ce qu'on connaît à ce jour déjà les limites, euh, les limites consignées de, ces moyens de prévention, euh, que ce soit au niveau individuel et au niveau collectif Chaque stratégie a ses avantages, chaque stratégie aussi a ses inconvénients et Aujourd'hui, nous tendons vers ce qu'on appelle une stratégie intégrée. Autrement dit, pour euh, lutter contre le paludisme, on fait à la fois la prise en charge du paludisme chez les malades, on fait euh, la chimie prévention chez les enfants, on fait le traitement préventif intermittent chez la femme enceinte, on utilise aussi les moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. Donc on n'utilise pas essentiellement une seule stratégie, on les combine et chaque stratégie selon l'environnement dans lequel vous, vous êtes ou selon la situation dans laquelle vous êtes a ses avantages. Hmm. Alors euh, nous allons euh, passer euh, à la dernière partie de l'émission qui concerne justement les difficultés de la prise en charge et de la prévention. Est-ce que, docteur, on peut savoir quels sont les, principaux obstacles qui persistent encore lors de la prise en charge des malades et au moment de la prévention du palu euh, la première des choses qu'il faut dire euh, aux mères d'enfants, mais aussi aux pères d'enfants, mm. parce que ça finira dans tous les cas dans la poche du père d'enfant, c'est de dire que dès qu'un enfant est malade, dès les premiers signes, il faut le conduire au niveau d'une structure sanitaire pour une prise en charge. Ça ne sert à rien d'attendre que euh, la maladie évolue pour je ne sais quelle raison, pour des raisons économiques ou pour des raisons d'espérance, d'attendre jusqu'à ce que la maladie s'aggrave pour conduire l'enfant au niveau de la structure sanitaire. Hmm. Première chose. La deuxième des choses, c'est que, comme on le disait tantôt, vaut mieux prévenir que guérir. Dès que la saison pluvieuse commence à s'installer et nous sommes à la porte de la saison pluvieuse, il faudrait que tout le monde mobilise ses moyens de prévention, entre autres la moustiquaire. Et en particulier, utiliser surtout la moustiquaire imprégnée. Si vous avez le moustiquaire qui est perforé, il faut prendre des mesures pour vraiment euh, très rapidement euh, coudre et réduire le nombre de trous au niveau de ces moustiquaires, sinon carrément la changer. Et quand il y a des campagnes au niveau national, telles que la campagne de chimie prévention du paludisme saisonnier, il faudrait que les parents d'enfants conduisent euh, les enfants au niveau des points de distribution de ces médicaments pour recevoir leur, leur dose. Et quand il y a des femmes enceintes elle aussi, il faudrait qu'elles fassent leurs consultations et au niveau de ces consultations, quand elles leur donne leurs médicaments de, la SP, que ces femmes prennent ces médicaments afin de se prévenir de la pathologie. Mm. Donc ce sont ces réflexes qu'il faut développer, mm. euh, chacun à son niveau. En particulier, j'attire l'attention de la mère et du père, parce que ce sont les deux principaux piliers de la famille pour que nous ayons les bons réflexes afin de faire reculer cette pathologie. Euh, c'est un problème mondial, le, paludisme, et euh, normalement, euh, la lutte doit se faire notamment en coordination avec d'autres partenaires, avec d'autres pays. Est-ce qu'on sait au, Niger quels sont en, gros les partenaires clés internes et externes qui aident dans le, le combat contre le paludisme au Niger Effectivement, le paludisme, c'est un problème mondial, donc la lutte, elle est organisée au niveau mondial il faut dire que c'est l'Organisation mondiale de la santé et au niveau d'une des structures euh, clés de l'OMS, à savoir le RBM qui fait beaucoup d'efforts euh, dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Il y a aussi le Fonds mondial de lutte contre les trois principales pathologies, à savoir le paludisme, le sida et la tuberculose. Donc ces deux partenaires sont vraiment très très importants, à savoir le Fonds mondial et RBM. Mais ils ne sont pas les seuls. En dehors d'eux, vous pouvez trouver aussi d'autres partenaires tels que eh, Malaria Consortium, tels que l'UNITED. D'ailleurs, la chimie prévention du paludisme saisonnier 2015-2016 est financée par Malaria Consortium et l'UNITED. Il y a aussi d'autres partenaires tels que eh, la Banque mondiale hmm. qui finance la lutte, plus précisément la chimie prévention du paludisme saisonnier au niveau des districts frontaliers du Mali, euh, du Niger et du Burkina. Tout récemment, il y a aussi autre partenaire qui commence à, s'installer au Niger, à savoir euh, le PMI. C'est l'initiative euh, du président américain qui est, je pense, au niveau de, l'USAID. Donc, bref, voilà quelques partenaires qu'il faut citer. Ce n'est pas exhaustif, mais je pense que ce sont les principaux partenaires, entre autres. Autre question, docteur, au niveau interne, au niveau interne, est-ce qu'aujourd'hui euh, la collaboration entre les différents partenaires, euh, les différents acteurs est, au top pour, permettre justement de, de, venir à bout Je vais dire euh, la collaboration entre chercheurs, la collaboration entre les médecins traitants, ceux qui sont en contact direct avec les malades, et la collaboration entre ceux qui font les planifications. Donc effectivement, comme euh, vous avez eu à le constater, donc la lutte euh, contre le paludisme est multisectorielle. L'idéal effectivement est que chacun dans son domaine de compétences prenne euh, une part de responsabilité pour mener à bien cette lutte. C'est ainsi qu'au niveau des structures sanitaires, les médecins, les infirmiers, ils sont très engagés dans la prise en charge du palu, qu'il soit non compliqué ou qu'il soit grave. Au niveau du programme national de lutte contre le paludisme, ils sont censés définir la stratégie nationale pour mener à bien toutes les activités. Au niveau du CERMES, nous faisons ce qu'on appelle la recherche opérationnelle. Vous savez que la recherche opérationnelle, c'est un élément très très important dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Parce que c'est ce qui permet de définir les indicateurs, c'est ce qui permet de dire nous sommes à tel niveau euh, dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Jusqu'à preuve du contraire, nous avons travaillé, mais j'ose espérer que nous pourrons aussi renforcer une fois de plus cette collaboration pour qu'elle soit beaucoup plus optimale. Au niveau universitaire aussi, ce serait intéressant de voir euh, des chercheurs mettre aussi la main dans la patte pour accompagner les programmes et les aider à mieux caractériser la lutte, à mieux caractériser les vecteurs, à mieux caractériser les parasites pour qu'ils sachent dans leur effort, ils sont à quel niveau, qu'est-ce qui est déjà fait, qu'est-ce qui reste à faire et comment attaquer ce qui reste à faire. Est-ce qu'il y a des difficultés aujourd'hui dans la recherche, notamment en termes de financement des recherches, en termes de formation Effectivement, euh, on ne peut pas parler dans des pays comme le nôtre, dire qu'il n'y a pas de problème. Il y a d'énormes problèmes. effectivement, parmi les problèmes les plus importants, c'est la quête du financement. Aujourd'hui, il est très difficile d'obtenir un financement pour conduire la recherche parce que, un, il y a une certaine compétition au niveau international. Deux, il y a aussi une certaine structuration pour mettre les financements à la disposition des structures pour faire la recherche. Pour obtenir des financements aujourd'hui, on veut des projets qui sont, un, pluridisciplinaires, on veut des projets qui sont multicentriques. Pluridisciplinaire et multicentrique, ça veut dire euh, multicentrique pour dire qu'il faudrait que l'étude ne soit pas faite essentiellement au niveau d'un seul site du Niger, par exemple, mm. mais que cette étude soit conduite, par exemple, à l'échelle sous-régionale telle que l'Afrique de l'Ouest, mm-hmm. et on se retrouve avec un, deux, trois, sept, une dizaine de pays. Mm-hmm. Donc, ce qui fait que on peut avoir de l'impact parce que l'échelle est beaucoup plus grande. pluridisciplinaire Pluridisciplinaire pour dire qu'il faudrait qu'il y ait plusieurs intervenants, que les parasitologues interviennent, que les hydrologues interviennent, hmm. que les entomologistes interviennent, que les cliniciens interviennent. Vraiment, même les sociologues, parce que ce serait bon d'avoir la vision sociale euh, de cette pathologie. Donc il faudrait qu'il y ait plusieurs secteurs mhm. hein, euh, afin que ce, projet puisse passer aisément. Mais cela, malheureusement, n'est pas toujours compris de, de tous. Mais j'ose espérer qu'au fil du temps et qu'avec le temps, que les gens puissent comprendre que nous devrons nous tenir la main dans la main, les universitaires, les centres de recherche, les programmes nationaux de lutte contre le paludisme pour conduire à bien la lutte contre le paludisme. Cela souligne bien euh, cette nécessité d'avoir une combinaison des différentes spécialités. Oui, effectivement, comme je le disais, il faudrait qu'il y ait euh, des projets pluridisciplinaires, donc il faut qu'il y ait une combinaison de plusieurs spécialités pour que plus aisément nous ayons des financements. Et une fois que nous les avons aussi, que nous euh, transcendons nos, nos, petites divergences, que nous puissions mettre le paludisme comme objectif, que nous puissions avoir la capacité de travailler en équipe. Et c'est ainsi que les pays qui sont parvenus à faire reculer le paludisme, c'est ainsi qu'ils sont parvenus à réduire la charge de cette, de cette pathologie euh, dans leur pays. À ah, vous comprendre, docteur, euh, euh, on n'arrive pas à acquérir souvent des, financements parce que les critères exigés par les partenaires sont, entre autres, vous l'avez cité, le fait que les projets doivent être pluridisciplinaires, multicentriques, comme vous l'avez dit, et que dans dans nos pays, les gens ont cette difficulté à pouvoir travailler en équipe. C'est là l'une des raisons. Les partenaires, quand ils mettent en place leur financement, ils ont besoin de résultats parce que le plus souvent, ce financement, c'est aussi des cotisations au niveau de leur population. Hmm. Donc, quand ils euh, les mettent à notre disposition, il y a un certain nombre de règles que nous devrons observer. Entre autres, un, utiliser bien ces, ces, ces, ces fonds, ces financements. Hmm. Deux, obtenir aussi de l'impact. Donc, ce qui fait que forcément, quand il y a un financement ou une stratégie de lutte qui est mise en place, il faudrait qu'il y ait des programmes de recherche, de suivi, d'évaluation, d'études d'impact pour essayer de voir si le financement a atteint les objectifs euh, qu'on s'est fixés initialement. Et malheureusement, s'il n'y a pas d'unité, s'il n'y a pas de, euh, collaboration, euh, s'il n'y a pas de travail en équipe, s'il n'y a pas de, communication, on peut bel et bien passer à côté d'une stratégie malgré le financement. Donc mmh. effectivement, on a vraiment besoin euh, de cette coordination, les grands pays qui ont fait reculer le paludisme, il y a, il y a, il y a des pays exemplaires à côté de nous. Euh, c'est effectivement cette intégration entre le programme national de lutte contre le paludisme et tous les partenaires, les structures sanitaires, euh, les hôpitaux, les universités, les centres de recherche. C'est cette mayonnaise, quand elle arrive à prendre, que on pourra faire reculer le paludisme nous allons terminer euh, cette émission euh, par une question que j'aurais peut-être pu vous, poser euh, un peu avant. C'est notamment les campagnes de sensibilisation à l'intention de, des populations. Est-ce qu'aujourd'hui, les populations ont suffisamment compris les enjeux du paludisme, ses conséquences et sont suffisamment aujourd'hui aguerris pour, en tout cas accepter de suivre les consignes que donnent les, médecins. Effectivement, il y a euh, des campagnes de sensibilisation qui sont en train d'être réalisées, mais ce n'est jamais suffisant. Mais aussi, il faut reconnaître que des fois, la population, elle a d'autres préoccupations, car si le quotidien n'est pas assuré, ce n'est pas évident qu'on pense à d'autres encore, à, d'autres choses qu'ils peuvent considérer comme étant des luxes. Je viens de rentrer euh, d'une mission à Gaïa où j'ai parcouru 32 euh, villages et on était obligé d'utiliser les radios communautaires pour faire la sensibilisation. Donc je pense que effectivement la population n'est pas assez informée euh, pour savoir d'abord ce que c'est que le palu. Deux, je dirais qu'il y a un certain fatalisme au point où elle s'accoutume de cette pathologie. Trois, deux fois les moyens de lutte qui sont mis à leur disposition ne sont pas utilisés ou sont utilisés à d'autres fins. C'est ainsi que vous pouvez trouver par exemple des moustiquaires qui sont utilisés pour faire de la pêche mmh. ou bien des moustiquaires qui sont utilisés dans, le, cas le, cas du jardinage mmh. ou bien pour faire même des clôtures. Donc tout cela, c'est parce que soit ils banalisent la pathologie, soit ils ne comprennent pas les enjeux. Mmh. Il y a aussi la perception, euh, il se pourrait que ils se sont familiarisés, ils disant non, ce n'est qu'un simple palu. Oui, c'est un simple palu, mais il peut s'aggraver et conduire deux fois vers le décès. Docteur, votre dernier mot sur cette émission S'il y a un dernier mot que je devrais dire, c'est de dire au Programme national de lutte contre le paludisme que le combat est long, il ne, saurait être conduit euh, de façon euh, esselée. Il faudrait qu'il y ait la fusion de tous les partenaires à toutes les échelles afin que ensemble nous puissions faire reculer le paludisme. United we stand, divided we fall. Et qui veut dire Ça veut dire que euh, ensemble nous pouvons tenir debout mais si nous sommes divisés, eh nous allons tomber. Et à l'intention de la population À l'intention de la population, euh, rester vigilant, utiliser les outils qui sont mis à leur disposition et la promptitude pour aller au niveau des structures sanitaires dès les premiers symptômes. Fin du forum de ce soir sur le paludisme, les modes de transmission, mesures de prise en charge et prévention. Nous étions en compagnie euh, de docteur, euh, Ibrahim Mamal Laminou, paludologue au Centre de recherche médicale et sanitaire CERMES. Nous avons vu ensemble donc le paludisme, cette maladie euh, très grave qui pose un problème de santé publique au, à l'échelle mondiale et euh, au niveau régional. Euh, le paludisme qui est très mortel, on l'a vu avec docteur, avec ses formes qui peuvent aller de la forme simple à la forme grave qui peut se caractériser par des anémies neuropaludologie. Nous avons vu avec, euh, autour, au cours de, cette émission qu'il existe bien les biens des traitements aujourd'hui euh, qui sont à même de, de, guérir cette maladie. Euh, la résistance des parasites est, très faible aujourd'hui, en tout cas pour le cas du Niger, et les moyens de prévention sont légion en tout cas qui sont mises en œuvre. On a la CPS, la la chimio, euh, prévention du paludisme saisonnier, mise en œuvre depuis 2012 et qui aujourd'hui a une efficacité d'à peu près 70% pour prévenir euh, les cas euh, de, de, On a la, la milda moustiquaire imprégnée à longue durée d'action euh, donc, euh, et les pulvérisations qui, qui, peuvent être faites au niveau de et autour euh, pour tuer les, les, moustiques vecteurs de, du, du palu. Et la recherche, on l'a vu également, la recherche est un élément fondamental dans cette lutte contre le paludisme au Niger et, partout ailleurs d'ailleurs. Et cette recherche mérite d'être soutenue et la conjugaison des efforts des uns et des autres est nécessaire pour parvenir à ce combat commun. Merci à tous de l'avoir suivi à la présentation à la Sankouzi Mamadou, à la technique Ousseini Isaka. Bonsoir.